Studio Karangu. septembre 2023, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Fanta Chamsou et je suis avec Mariam Made. La technique est assurée par Mustapha Ayouba et l'édition par Adama Dawaki et Khadija Isaka. Bonjour Mariam, comment tu vas Je vais bien Fanta et toi Je vais bien aussi, Alhamdulillah. Alors, quel est le programme du jour comme d'habitude, Mariam, nous allons ouvrir notre émission avec le flash d'information, mais il y aura également la page sport, le reportage région qui nous amènera à Agadez, une rubrique entrepreneuriat, le loti avec les femmes du studio Kalangu. Et comme chaque vendredi, vous aurez aussi la revue de la presse. Et de la rubrique entretien, Issouf Chebou, notre correspondant depuis Mayaï, région de Maradi, s'est entretenu avec un artiste local, Aboubakar Mahaman, connu sous le nom de Dogo Metakwano. Eu quero Chers auditeurs, accueillons Nafisa Surfo pour le flash d'information. Bonjour Nafisa. Bonjour Fanta, bonjour Mariam. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a suggéré hier jeudi 31 août une transition de neuf mois pour les militaires au pouvoir depuis fin juillet au Niger, à l'image de ce qui s'était passé au Nigeria dans les années 90. Le président ne voit pas de raison que cela ne puisse pas se reproduire au Niger si les autorités militaires au Niger sont sincères rapporte un communiqué de la présidence du Nigeria. Le président Tinubu a aussi indiqué que personne n'est intéressé par la guerre, mais l'allègement des sanctions ne peut résulter que du changement positif de posture des autorités militaires de Niamey. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, dans un communiqué hier, dément les rumeurs faisant état de la dissolution des partis politiques. Le ministre informe l'opinion nationale que les partis politiques légalement reconnus restent et demeurent tels. Néanmoins, conformément au communiqué numéro 5 du CNSP, leurs activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le ministre attire l'attention des auteurs et co-auteurs de ces agissements tendant à troubler l'ordre public et la quiétude sociale qu'ils sont constitutifs d'infractions à la loi. De la culture pour terminer, l'artiste humoriste humoriste nigérien Abdoulaye Segdare ou Jingir Lompo a effectué une tournée dans plusieurs pays de l'Afrique et de l'Europe pour la promotion de la paix à travers ses prestations culturelles. Ainsi, c'est à l'étape d'Égypte en juillet que le Haut Conseil des Nigériens en Égypte lui a décerné le trophée d'ambassadeur. Jingir Lompo a présenté hier jeudi 31 août au ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture son trophée d'ambassadeur de la paix, le 23e de saint Pour rien qu'en 2022, le sultan de l'Aïr avait intronisé le même artiste, roi du cousinage et de la parenté à plaisanterie de son sultanat et aussi son ambassadeur de la paix. C'est la fin de ce flash. Merci Nafisa, à la semaine prochaine. Chers auditeurs, dans un instant, nous aurons l'entretien d'Aubakar Mahamandi Dogo Metakwano, griot et musicien traditionnel des Mayaï, au micro de Cheb Issoufou. Mais avant, Mariam, nous allons d'abord écouter le premier morceau de notre playlist du jour. Qu'est-ce que tu nous proposes Je vous propose Mandoula de Malam muhammadu malam ni muhammadu malam barka kun gani hoti ne ni na kare aiki an samu gindin kalbo ko kurabun wani bango a can nake kaɗa koko De Malam Barka a été enregistré en 2004 au centre de formation et de promotion musicale à CFM Taya. Mama Barka, le Barkaï national, artiste, musicien, auteur, compositeur et virtuose de la musique tradie moderne nigérienne, dont la voix et les chansons ont bercé les Nigériens durant de longues années avec ses chansons phares telles que Meiram ou bien Niger, mon beau pays, Armée de Da'i. L'artiste d'exception a marqué d'une empreinte indélébile la musique nigérienne. Son apport culturel ne s'arrête pas là avec tous les efforts qu'il a déployés pour promouvoir les instruments de musique traditionnelle à l'international, en plus de former des jeunes à divers métiers. Il nous quitta malheureusement en novembre 2018, paix à ma wallahi maganin après cette belle chanson, nous allons rester dans le domaine de la musique, toujours car dans cette première partie de l'entretien du jour, Mama Aboubakra, connue sous Dogo Metakwano, griot et musicien traditionnel des Mayahi, nous parle de son attachement à la musique. Il est au micro de Issoufou bari da yan roki Allah na malam dogo mai tafiya na kai yanzu dogo na ina nake dan boyaran gaji kaka aka waye gari kuma ga kana kada buta wallahi wajen wannan lafiya launi eh yadda aka yi ka san wannan harkoki sun zo mana a cikin wani abu mai kaman kai in ya hosu da babana da tsohuwa ta sati guda ne tsakaninsu da mutuwa a lokacin nan ina makaranta maraɗi. to da wannan zahutar ta zo mini sai na tashi na bar kaina cikin najeriya kawai ban ma san wajen da nake yi ba to har na kai ma karatun na dasa shi a nan Kano nan Kano dan dago akwai ilgidan Alhaji Musa mai gori na tasa to shi Alhaji Musan kakana ne kenan ita uwa ta ce to sai ina sabka nan wurin to nan unguwarsu nan ne na samu dattijo wanda shi ne nake tsare mai tebur ɗin shi yana shayi kuma ni ban sani ba a tsari na Najeriya ashe shi ɗan kacako kacako ne <laughs> eh to sannan sannan har ina ganin shi yana dan tahiya na kewayewa har muka kai muna tayani da shi kuma ko yanzu in naje ɗiyan shi wa'annan su ne ke kwatanta mani dogo mai ta kwano roƙo na zamani wa sai yanzu ilimi ka hiddo magana mai sense guda uku ta hika tsara zambo ya hi ishirin ya ce saboda inda ka yi sinan babu ta yadda ka yi zambo baka bata mana rai ba ko da ba mai shi bane ba to yanzu kenan ina gane kenan wani mai irin wannan kiɗin ne yana da teburi eh. shi kuma daga yana barin katsaro shi kuma yana ta wurin wannan sana'a to ya aka yi aka game kuma eh yadda aka yi aka game shi yake zauwa sai ya tafi da ni kasuwa kamar su tasha kuka su ka buga ina ne sai ci mini in hirke min leda ta kamar irin wannan leda in hirke min sannu sannu yana yi yana yi to har na kai yake tambaye ita baba na nai na na wannan wannan daki naki na wani gari ne sai ce wallahi na yan boye ina can yake cikin Nijar garin mu guda da shi ai danya ta ni to yana mutu wannan tambayoyi sai ce ai wannan yaro kau wallahi yana da basira wallahi ni in na tayi wurin kace din ma wani bi dafa mun yake muna yi sai ta ce a ai bai yado ba saboda shi jikan maroƙa ne saboda uwata babanta dan ƙila gagari ake ce ma babanta ko nan mai ajejiyan nan ma baba habu yana ta da yana cewa gagari in ma ka yi hwadin shi ba za ka hwarin jin shi ba yace saboda su sa'an nan duniya maroƙan su ne masu kawo malamai to dalilin da yake nan wannan harkokin nake ta yanzu a haka nake ta haya da su don ma kamar yanzu ƙalubalen da ke gare ni babban sai abin da ya shahi cikin gidanmu. To yanzu kamar mu kawo ganin wurin kenan da kuka haɗa ga shi wannan wannan makaɗi ko mai tebur ya gano da hausa a gare ka kaka aka yi da wani ya tambaye wannan tsohuwa kuma ka ta da kiɗan. Kawai yadda ta faɗa mai ce ta ai in ya yi kiɗi bai ya ba kakan shi dan ƙila ne. Daga nan eh, To daga nan wurin in ya zo ya ajiye wurin tebur na baya na ga wannan buta ta sai in ɗauko in ta bugawa ni ba ni na ba bani kuɗi ba. To a wannan lokacin wannan nazarin nan na mace-mace da aka mini. Idan na fara wannan kiɗi ko yanzu ina cikin wannan baban ko yanzu a gidanmu ne a cikin duniya ne in ka bata mana da na shiga harkar waka na to tuni na bar wannan zancen ka ra'ayi na ya koma can wurin wannan kidan da waƙe-waƙe kuma ko yanzu in gida nake ko ko in na to cikin duniya in na dauki kudiri ina so in yi waƙa kan wani abu kaza to duk irin abin da zaka tsara mani in na ɓacin rai ne in na daɗi ne kawai ni wannan wajen nake kallo shine karfafa kiɗan da na koma na zo gida na koma Kano sai na tambaya da wannan tsoho sai aka ce mini ya rasu sai na game da ɗanshi. shi kuma ɗanshi mai yaro ne ya ma shi shi kwanakai to wannan ɗan nashi cikin ɗanshi bakwai amma wannan ɗan ɗaya shi kadai ke katatau sai mu ɗora taya tare shi muna taya tare shi da nan shiga katatau sai na shekara guda a nan cikin Nijar garin mu mai mini kiɗi daban yake ban iya kiɗi ba amma na iya ɗimi sai na shekara guda tem akwai wani maƙeri abokina ne shi na zo na ce mashi kai wani ai kaji kaji shi ne yake ce mana dogo ba an ce ba kano haka ta tauka ta kuke zuwa na ce hawa ina ka ta tauka ta na iya daman amma ban iya kiɗi ba sai ya ce shi ya iya kiɗi to sai ya ɗauki in na kaɗi muka buta sai mu ɗora bi gida gida cikin azumi mu ɗora bi gida gida muna roƙo wurin 'yan mata ko yanzu ma ai inda kiɗin yake da daɗi a ce bukunkunna sun huce bukunkunna sun zo ko kuma cikin azumi da inda budurwa take ko il ƙararrama ce haka in na je na yi roƙo na kama sunanta na kirara ta na yi haka na yi haka to in Allah ya yarda kuma sai na samu bakin gwalgwado da sai in zo gari in samu tiya goma ta hatsi in samu tiya sha biyar wani bi sha ko wani garin ma sai in samu ishirin dalilin haka nan da. Bari mu ɗan shakata da kiɗin naka malaman Abubakar mai takwano. Chers auditeurs, avant de continuer cet entretien, nous allons accueillir euh, Mokhtar Hamadou pour la revue de la presse. Bonjour Mokhtar. bonjour euh, Mariama Ade. bonjour euh, Fanta Chamsou. Bonjour Mokhtar. Nous débutons cette revue de la presse avec les relations diplomatiques Niger-France. L'ambassadeur Sylvain Ité sommet d'équiter le territoire nigérien sous 48 heures, titrant une hebdomadaire nigérienne d'information Niger Inter. Oui, euh, le journal nous apprend que dans un courrier en date du 25 août 2023 émanant du ministère des Affaires étrangères nigérien, Adressé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Il a été euh, retiré euh, à Sylvain Ité son agrément en tant qu'ambassadeur euh, de son pays au Niger et un délai de deux jours lui a été accordé pour plier bagages et quitter le territoire nigérien. La décision du retrait de l'accréditation et de l'expulsion du diplomate français est motivée selon le ministère nigérien des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur par le refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à une invitation du ministre nigérien des Affaires étrangères pour un entretien vendredi 25 août 2023 euh, à 10h30. De plus, les nouvelles autorités nigériennes reprochent au gouvernement français d'autres agissements contraires aux intérêts du Niger. En réaction à cette décision, le Quai d'Orsay, qui est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, a rejeté la demande de départ du diplomate, arguant que les Poutis n'ont pas euh, autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. Crise au Niger, l'Algérie condamne, entame une médiation dans trois pays de la au titre le quotidien nigérien d'information et d'analyse Mouria. Selon l'agence France Presse citée par le journal Mouria, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, à la tête d'une forte délégation, était en tournée mercredi dans trois pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour jouer le rôle de médiateur entre les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger et l'instance sous-régionale. Selon une annonce de la diplomatie algérienne, Ahmed Ataf est allé au Nigeria, Bénin et Ghana afin d'aider à trouver une solution à la crise politique que vivent les Nigériens. Le diplomate algérien a mené notamment des consultations sur la crise au Niger et sur les moyens d'y faire face avec ses homologues des trois pays cités, a précisé le ministère dans sa note. Et au titre du quotidien L'Enquêteur de ce vendredi 1er septembre, on peut lire Bras de fer CDAO France-Niger, le spectre de la guerre s'éloigne. Tinubu prône une transition de neuf mois malgré les pressions de la France. Selon le journal, la bataille est désormais perdue par Macron qui doit se faire une raison. La guerre par procuration qu'il a voulu pour déstabiliser le Niger et lui permettre de maintenir ses soldats dans le pays n'aura pas lieu. Il s'agit là, poursuit le journal, d'un cinglant revers infligé au président français qui a, multiplié depuis le coup de force du CNSP des déclarations intempestives, initiatives, irréfléchies et faux pas politiques ou diplomatiques. Coup d'État au Gabon, qui est le général Brice Olingi Nguema, nouvel homme fort du Gabon, titre en gros BBC New Africa. Après avoir déposé le président gabonais Ali Obango, le général Brice Olingi a été porté dans les rues par ses euh, troupes euh, triomphantes qui scandaient Olingui président, Olingui président. Le général euh, de 48 ans apparaît certes comme un homme du peuple porté par ses soldats, mais pour beaucoup, c'est un leader inattendu. Il y a cinq ans à peine, il, il n'existait pratiquement pas dans la conscience publique gabonaise avant euh, de passer 10 euh, ans en dehors euh, du pays après avoir été écarté du cercle rapproché de la famille Bongo qui jusqu'à mercredi avait régné sur le Gabon pendant près de 56 ans. À son retour, le général Nguema s'est discrètement hissé au plus haut niveau de l'armée. Il y consacre ses journées au maintien du régime du président Ali Bongo. Le nouvel homme fort du Gabon est né dans la province du haut ogooué euh, Cette région est un fief de la famille Bongo et certains disent même que le général Nguema est le cousin d'Ali Bongo selon BBC News Africa. Ce sera tout pour euh, la revue de l'impresse Mokhtar. Et oui, c'est tout, euh, Fanta Chamsou. Merci beaucoup et à bientôt. Chers auditeurs, nous allons continuer avec euh, l'entretien du jour. Cette fois-ci, Dogo Metokwano nous explique ses premiers pas dans la musique. Il est toujours au micro de Issoufou Cheibou. wannan kiɗi yanzu ina na fara wannan kiɗin da kimanin shekara sha biyar ko ishirin na fara yin shi da shekara ishirin dai haka to sai dai kuma ƙarfafa shi da haddangi na malamai ne su shi karɓi abin wanda nake ɓata ma rai ya zama ɓacin rai ne wanda yake so na ya kama mani in ta hanyar roƙon Allah in ta wani abu bai huci ba shekara biyar da abin da ya zo yanzu to wannan lokacin ne kiɗin ya yi karɓuwa sai in ana biki gidan sarki sai in je in ana wani abun nan ko da ba biki ba komai in ni a kawai sarkin mayin nan sai in je in gaida shi muna lahiya lahiya mi kai wannan wani ne a ni ne dogo mai takwano na yan boye to yanzu ina yan sani kiɗin mm. da waƙar da kake yi suwa ne kake ma waka kuma ina ka ta hankali yawa inda na ta hankali wurin yan kasuwa sai na ɗauki ra'ayi na ya hiya cikin kasuwa saboda su yan kasuwa su ne in ina tare da su ko mutum bai bani komai ba in ina zaune ba zai bari ba a mana dogon wulakanci kuma in ina tare da yan kasuwa ko ba ranar kasuwa ba ne wuya ki akwai in gayyara to in ka huce nan sai lokacin bukunkunna sai in komo in ɗauki wancan gadon na wajen tsohuwa ta sai in shiga kiranci to mun lura dama ita kamar wannan muka ta kaura dama ainihin ta a cikin kasuwa ko ko eh, shine sai ita ta karkatar da kai ga masana'a eh ita wannan ainihin ta dama ita dama ka ta taudi inda ka ganta da zari da gambara kiɗin yan mata ne da yan kasuwa yanzu ne in nayi niyya sai a ce ma sallah ta zo to na ga ba zan wasa hoge ba sai in dore bi gida gida da na taho in dai budurwa hudu ko biyar da kingin yare sun biyo ni shi kenan ta kare da nama yarinya ɗaya waka da na zo su mu dogo mai ta kwano ashe gana akwai budurwa sunan tawanci shikenan sai in shiga waka ina garza ta ina kira rata tarmamuwa gabas mai haske zinariya musulman ƙarye wane ne wariyar sallah wadda ba a ma sai na yi kilincin kuma sai in saka ta taudin to su kuma nan da kingin masoyanta da ita yarinyar da wani dangin uwayenta haka to sai ka hiddo abin da ya sauƙaƙa sai ka ce dogo ga wannan a a ci goro in wani ma wani hau wani kwamfule na mata ma ana bani wani hijabi wani mayahi da can kwanan baya lokacin da sawul ta taso gamewa muke yi tare da 'yan sawul ko masu wasu karanguna ko 'yan garda mu dorta hiya zagayen kiɗa. ina so in sani kamar ita kaca kaurai kakani ake shirya ta ya ake ta. ita kaca gaura ita kishi biyu ne wannan gwangwani wannan na abin gaza da leta ne amma wancan na gwangwanin fula wannan gwangwanin shaltokis na maganin sabro shi ya hi sai da kyau da kyau ya hi ƙara mai daɗi shi wannan kamar ƙara ke yawa to amma kuma wannan ya hi ƙwari amma shi wancan ya hi tsaye da waƙa kiɗin sai ka ji shi daidai to amma shi ina sa shi da cikin kwana uku ƙarshen ta sauya shi yasa sai na hiba wannan ɗan ƙamna eh sai kwalba kwalba wannan irin ta litir ko tona ba sai daddake ta in zuba ciki daɗi yanzu mara ake sanya ta. na ganta kuma har da madauki. Wannan wannan wannan ita kawai dan yana kamar ta roƙon kasuwa ce ma. Akwai gida wadda in kamar biki ne za ni tafiya ko wani taro ana yi duka da madauki da wata an muke da rabaje da komi ita ma aka hiddo ta kai eh mhm. da rabaje da komi za gani duka an saige abin duka gaba daya ta daidai to yanzu ina so in sani mm. kwalliya tana biyan kuɗin sabuni a game da wannan sana'a ta kace kaura da kake ta kidin kace kaura a kwalliya tana tana biyan kuɗin sabuni babbar riba wannan kiɗi na hawaka da kake ji ina ta yara ɗiyan dangi na wanda ke cikin gidanmu akalla ɗiyan babana sun kai mutum ishirin da wani abu to ɗiyansu jikokin babana da ɗiyan ƙannan babana da yayyansu yara ƙanana kuri-kuri wannan su sun hi kowa cin riba kiɗa tunda wallahi malai su in ina gida in na taho daga kasuwa in na kasuwa tare da uban yaro in muka taho muka sauko daga bisa mota yaro in ya rugo da guri yana kallon baban shi sai ya zuke baba dogo ka wani ɗaukan mai kanka da kun hira da ta haɗa mu da mamman abubakar mai kasa kaura na garin yan ɓoye da ke cikin kwamin ɗin isa wani a nan jihar mai muna godiya mallam mamman abubakar game da amsa kiran namu da kai muka tattauna akan wannan sana'a taka ta kiɗan kasa kaura mun gode. sha a yi iya ta kasa da su in yi kanin mallan raya, ka bar su da yunwa za ta bata su mallam dogo babban da ya ban umma kanin mallan raya, lalle karamin yaro a tsara shi tanda da yaro za a yin babba baba da yaro za a liman Malam dogo ne mai tafano wannan wanda ake ta ruɗa. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est à de la rubrique hebdomadaire. C'est vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Oui, Mariam, depuis la, fermeture des frontières avec le Nigeria, les femmes commerçantes de la ville de Koni rencontrent des difficultés dans leurs activités génératrices de revenus. Zoé Boubé les a rencontrées suivant leurs témoignages. suna na bara'at to matsala kan akwai matsala dan wurin sayayyar kaya dan abin duk ka saye da ka a saya mun shi ɗari biyu yanzu ya kai ɗari hudu ka a mun shi ɗari hudu yanzu ya kai ɗari takwas ka a mun shi ɗari takwas yanzu ya kai ɗari takwas da hamsin ɗari takwas da saba'in to harin ne a so buhun masara abin da nika sayo shi jikka ashirin da biyar na garin ga amma yanzu ya kai jikka jikka talatin da biyar na haci abinda shike jikka arba'in ba ɗai ma saye ma sai suwa awo yanzu buhun yar garewa abinda shike yanzu buhun ta jikka talatin ba ɗai to yanzu dai ruhe bo daga taimako na muka yi dan hadda ajiyar da ka yi da dan dai da ka zamna sai ka ɗauko ta in ka lisafa ba in dai ba dan da ka taimako ba ko kana ganin wanda kai ka riga ka saba da ba ka yi. dan abinda duk ka sayo ka same shi ba sai ka ɗauko ajiyar ka ka tun haya ka zo ka sayo kenan abin ya zan kamar taimako da wa'anda sun ka saba kasuwanci kana sayowa wasu wasaye gare ka ka diba da su tai wani waje shi na ɗaya muka yi kasuwanci ba ta ƙaruwa ta muka yi ba ta mu samu lada ta kuma ta mu samu matsilasa kanmu ba wani dala aka samu ba yanzu ni dija mai tuwo ta santar matar gwamna wagga haraka da tattaho mana Allah shi muna maganin ta shi muna maganin ta wagga boda da an karye mu ba ji daɗi ba muna zuwa illela sayayya in mun ka zo mu sayo kayan miya da sauki yanzu timati naira dubu muka sayan malabashi tattasau dubu biyu da ɗari biyar miyar goro cikka hudu muka sayan kwa dawa dubu da ɗari biyar muka sayan masara dubu biyu muka sayan kwananta yanzu don alidon ma'aiki muna so muna roƙo ga ubangiji Allah gare su magabata su sa mana hannu Allah ya sa mana hannu su walwale mana ga matsala da attare da wurin dala ɗari na aka kama yanzu jikka aka kama jikka aka mai kashe mu saboda abu ya yi tsada kuma sai mun bi ta kalmalau sannan a taida don alidon ma'aiki magabata mu roƙe ku mu roƙe ubangiji Allah shi mana sauƙin wanga abu da Allah ya kawo mana sai mun bi ta kalmalau kuma gudare na muke a baya gare mu ita nana zancan wannan hanya da gaskiya ya shahi mu sosai mu yan kasuwa kwarai ma da gaske don yanzu inda dai duka ka taya ka zo ka mai dala ebi to al'amarin ya yi rincimi yanzu za ka tahiya in lela ka tahiyar najeriya ma akwai lalura gare ta in ka zo can ka kana ɗauko da kuɗi da yawa nan kana zakkowa ka ci ga abai kan sai ka je yan sai suna ta tsuwa da kai kasuwancin ba daɗi dai ko kaɗan sai dai mai wata ga Allah Allah da shi ka mana sauƙin wanga yanayi da al'amarin da ya same mu ka ba zan can ma wacce hanya yanzu abin ya kuma baibaye sai an yi ba ai shi ya kawo duka harkokin sun kai kuɗin mutum ya bi da mutum sai ya bi da kai ta daji ana ta da kai ta daji kuma ka zo ka ɗauko kayan ga kuma can wurin kasuwancin can in ka zo lela duk abin da ka aza hannun bisa gare shi ba ka jin daɗin sanyi duk abin da adda sauki yanzu ko na na yarin cimi nan ma gida haka nan a to muna so ka dai daga lela muna ɗauka su omo su lalle nan su tattasai su tumatir ni dai yan sana'a kamiya dai nake su mai duka duka ina sai zuwa to yanzu ma ni har da kasuwancin ma dai abin da ka sa shi kana taimakawa na saboda Allah tunda da su sukari su shinkafa su mi kai babu abin da dai bai kuɗi duk abin da ka san yanzu an kasuwanci yanzu dai ai haka nan dai na tun da yanzu matsayin yanzu a ce shinka ana sai da shi jikka goma sha ɗaya yanzu ya koma jikka kusan goma sha biyar har da rabi hulawa ma ita eh, cikin kan dai da sauki sukarin ma bai taɓa wasakari yanzu abin shi jikka talatin da bakwai muna ɗauko shi talatin da biyu yanzu shi na talatin da bakwai har ka yanzu sai a hankali muna wata ga Allah wanga al'amari da Allah ka mana to Allah ka mana saukin shi lami lahiya. C'était les cris de quelques femmes commerçantes de Birning connues au micro des Zouera Boubé. Faisons donc une petite pause en musique avec ces sons du groupe PV, c'est-à-dire processus verbal qui nous vient avec les titres sans permission. Vas-y, vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, vas-y, bouge-moi ça, On est dans le quartier, ça s'ennuie pas. On est dans whisky, pourquoi tu as même mamie, elle tape quand je sors les baffes. Le voisin est vénère, on lui fait un fuck. J'ai pas les keys, je veux de la loco. Hey, ma chérie, voilà la polo. Fais-moi ton amour ou bien dans ton dos. On est fan de ça comme des bonobos. On fait pas la queue, mais on s'en sert pour des raisons trop humanitaires. On a déjà tout vu comme des sexagénaires. Ok, d'accord, bon, j'exagère. DJ, t'es où Balance la sauce, C'est serveuse. Remplis-nous un pas vie, j'ai déjà la TV. Ouais, garde ta money à la place, je t'offre une nouvelle vie. Petit MC, ralenti, la cadence. Sur ma vibe, je vois que tu danses. Ne joue pas les bons sens, c'est d'où tu viens et aussi où tu pars. Y'a trop de jaloux, y'a trop de ennemis, on s'en bat les yeux. Nous on danse, nous on danse, nous on danse. Y'a trop de jaloux, y'a trop de ennemis, on s'en bat les Nous on danse. Nous on danse, nous on, nous on danse, ouais, nous on danse. Nous on danse, nous on, nous on danse, ouais, nous on danse. Nous on danse, nous on, nous danse, ouais, nous on danse. Nous on danse, nous on, nous on danse. Je fais danser la l'Afrique sans permission. Je fais danser l'Afrique sans permission. Je fais danser l'Afrique sans permission. Sans autorisation. Hey. Aussi, les jaloux, et viens t'amuser. Toujours bien habillé comme un Congolais. On rentre dans le club, chose qui collait. Non, ce soir, je suis pas là pour picoler. Hey, eh, ah, pays, ah, je viens de ah, Kuma. Moi, je suis pas comme Yakuba. Je te ferai jamais de Cuba. Je me battrai pour toi comme un Yakuza. T'es bien éduqué, pas de ma masala. S'il te plaît, chérie, tu viens bien même là Coupé, décalé ou du Mapuka. J'attends juste qu'elle me dise, chérie, Manugaka. Les délires de la vie, ouais, ça me dit le bonheur venu sur terre un samedi. Les rageux à nos tous, ils aiment parce qu'on a couché. Dieu merci, les cieux nous a bénis. Faire danser l'Afrique, c'est ça le deal. Même si t'es vieux, on va te rajeunir. Ouais, je fais le tonton, baisse tonton, fiston, Hagodin, bon, M. Simpson. Y'a trop de jaloux, y'a trop de haineux, mais on s'en bat les yeux. Nous on danse, nous on danse. Nous on danse, y a trop de jaloux, y a trop de en avril 2018 sur YouTube, un titre très apprécié par les jeunes mélomanes. Sans permission de processus verbal, le, groupe en tant qu'étel était composé de trois membres très doués, mais qui se sont séparés et ont pris des chemins différents alors que leur influence était en plein essor. Je vais danser l'Afrique sans permission, je vais danser l'Afrique sans permission, je vais danser l'Afrique sans permission, sans autorisation. attention dans le bonjour monsieur, on est venu pour mettre le feu. Mega m'appelle MC Halal. Je compte rester dans les annales. Nous sommes à la une et ils ont mal. Oui, le bilan n'est pas banal. Baf sur la tête comme le choukouya. L'homme aura du chocolat. Quand je la sors, et disent oulala. Dans quoi tu vas mettre tout cela? Il n'a pas qu'à Ma Maté la sable, je suis chocoté. Elle est embotée, elle m'a envoûté. Elle me dit bébé t'es vilain, oui je suis comme mon beau-père. Ah les enfants écoutez-nous, vous les jaloux étouffez-vous. Les salopes qui disaient poussez-nous, je leur réponds poussez-vous. Bon mais, bon nous on danse, nous on danse, nous on, nous on danse, ouais nous on danse. Nous on danse, nous on, nous on danse, ouais nous on danse. Nous on danse, nous on danse, ouais nous on danse. Nous on danse, nous on, nous on danse. Je fais danser l'Afrique sans permission. Je fais danser l'Afrique sans permission. Je fais danser l'Afrique sans permission. Sans autorisation. chers auditeurs, pour le reportage région du jour, nous allons nous rendre à Gadeza pour parler d'une situation qui persiste malgré tous les efforts fournis pour y mettre fin. Il s'agit de la consommation de stupéfiants chez les jeunes filles. Au courant de ces derniers trimestres, trois décès ont été enregistrés, toutes des jeunes filles suite à la forte prise de ces produits. Le reportage est signé Moussa Maman. La prise de produits stupéfiants chez les jeunes filles de la ville d'Agadez préoccupe tout le monde. Madame Alitan Azara, femme leader, lance un cri de cœur à l'attention des autorités pour trouver une solution à cette situation en créant un centre de désintoxication et de récupération. Ça préoccupe tout le monde. Nous, dans notre entendement, on était même presque les premiers à dénoncer ça depuis longtemps. Surtout les petites filles, les jeunes filles. Notre cri de cœur, c'est de lutter contre cette affaire-là. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités et voir comment non seulement prévenir pour celles qui ne sont pas déjà atteintes et celles qui sont là, ils sont des déjà atteinte qu'il y ait quand même euh, un centre de désintoxication et de récupération. Les responsabilités sont situées auprès des parents, de jeunes et de la société, selon Abdraman Koutata, point focal de la jeunesse d'Agadez. Euh, je voudrais citer les responsabilités d'abord auprès des parents qui ont le devoir moral vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs enfants et même de la société d'éduquer de manière la plus plausible et la plus correcte leurs enfants en les faisant comprendre les dangers qu'elles courent dans cette consommation. Deuxièmement, auprès de la jeunesse, parce qu'il faut que ces jeunes comprennent qu'elles sont l'avenir de ces pays et que l'avenir ne peut se construire avec des drogués, c'est pas possible. Maintenant, à la société d'aider ces jeunes et surtout de chercher à comprendre le pourquoi de cette addiction. Selon le chef service psychiatrie du centre hospitalier régional d'Agadez, son service reste toujours disponible pour la prise en charge de ces jeunes filles droguées, même si la fréquentation devient rare. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et place à présent la page sport avec notre chroniqueur sportive Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Bonjour. Nous entamons cette page sport avec euh, les tournois des grandes vacances qui tirent à leur fin. Oui, après les TGV Lazare qui a vu le sacre de l'AS Banifandou 1, ce week-end euh, des tournois des grandes vacances euh, connaîtront euh, les équipes qui vont remporter les trophées de l'édition 2023. Il s'agit du TGV de Yentala, l'un des plus anciens de la capitale 31 ans d'âge. La finale de cette année aura lieu samedi. La deuxième finale des TGV, c'est le tournoi de Bukoti qui se jouera également samedi entre FC Nordiré et Sagia. Et c'est également la finale du championnat régional de Niamey de football pour les U17. Oui, là-bas, c'est l'AS Garde Nationale qui va affronter l'équipe du Wadak samedi au stade municipal de Niamey. Mais avant ce match, il y aura euh, la rencontre Sahel Sporting Club de Niamey et l'Ouragan pour la troisième place. Gourouza, le Maroc est sacré champion d'Afrique des beach volley I-23 du côté des Dama. Oui, Myriam. Euh, la sélection marocaine féminine des moins de 21 ans de beach volley a remporté le championnat d'Afrique de, de la discipline en battant le Nigeria mercredi en finale disputé à Casablanca. Le Maroc s'est imposé en 2-7, 13-21, 21-15 et 18-16. À l'issue du classement, les Dames du Maroc décrochent la médaille d'or, la médaille d'argent revient au Nigeria et la médaille de bronze aux Dames de la Gambie qui sont classées troisième. Euh, la sélection marocaine féminine U21 assurait assurer sa qualification pour le championnat du monde de beach volley prévu l'année prochaine en Thaïlande. Voilà pour le sport. Merci Gourouza et bonne journée. Chers auditeurs, le portrait de ce vendredi nous emmène à la découverte de Maimouna Oumarou, journaliste en langue zarma à la radio et télévision Canal 3 Niger. Elle est aussi la présidente du groupement de son quartier, une initiative qu'elle a commencée à travers des groupes WhatsApp nommés Babofoïze de Kilawize. Le reportage de Rakia Arimi. Oumarou, El Shekarou, Arba Inde de tana da takardar shaidar digiri da ake cewa sai fpd yar jarida ce a harshen zabarmanci a gidan rediyo da talabijin kanal turwa kuma ita ce shugabar kungiyoyi a unguwarta tsarin da ta fara girkawa ta hanyar whatsapp yau shekaru goma da suka gabata da ta raɗawa sunan babu fo'ize da killawize a zabarmanci 'yan uba ɗaya da 'yan uwa ɗaya uba ɗaya ta bayyana mana dalilan da suka ingiza ta. Abin da ya sa na shiga irin wannan tsarin kishi ya sa kuma tausayi irin yaran mu na yanzu. Kamar yanzu ki diba ki gani kamar ake uwa ta ma ɗaya ta wuri kamar yanzu gidan da akwai talauki hakan ga ina uwar za ta hita da wannan kuɗi gadashe da da sauransu sai na tattara waɗannan da ake kin group kita na yi musu shawara nake to mu kamar shekara goma muna tare mu duku kun babu wani inhwani da muke ma juna sai dai mu zo muna ta su surutu bisa whatsapp nake to me yasa ba mu je mu yi gurfuma suka ce min to ya ya kamata mu yi gurfuma nake dukkaninku mambar da group ne na ba ku izini nan zuwa sati kowa ya kawo mini mutum goma goma to yanda muka yi muka yi farman wannan group makin nan kowa ya kawo mutum goma goma su waɗannan mutanen na maida su president sauran waɗanda suka kawo na maida su eleman akwai matasa akwai mata akwai maza akwai matan aure saboda group ma ba kaman wani shashen ke ne ba dan mu yaki ne da talauke kamar yadda na gaya miki da warko watanni shida kenan da tsarin maimuna umaru na harkar mai ya soma ta ba mu karin haske kan yadda wa'annan wannan gurfaman kin ke gudana. to wannan group makin kamar taimakon juna ne don mu yi yaki da talauki yanzu in mutum za ya aure muna tattara ma mutum jika dari tara da imdifkater eh, shinkafa buhu goma da maka karton biyar kuskus karton biyar zunuwa turmi goma sha biyar da mai kwanoni abubuwa dai ga sunan dai barkatai kun bancin wannan wanda ko kana kikin group ma baki samu aure baki samu wani abu kina nan ga dibito ni ina nan ga zubin banza kenan ni kaman tahiya banza nake nan gai na kawo wata sari yanzu in yi bici hudu na biyar kin da zai zo ba wai bici ne in mun tattar waɗannan kuɗaɗe tiraji ne za mu sai a doki mutum hudu kikin tiraji kin na abu da kasa kuɗin nan nake yi kashi hudu 200 mil 200 mil in basu kuma shi ba bashi ne ba wani abu ne kyauta ne kawai zan raba musu su shi su yi kasuwanki ne ko ne don wannan versamakin ya yi musu facility daidai da rana ɗaya ban taba samun matsala saboda ita group ma in mutum zai zo ya shiga in kin zo muna gaya miki kewa ba take yanke ki zo ki shiga yau eh, sati mai zuwa ki samu ki kike a tara miki a'a in mutum ya shiga sai ya yi muna wata hudu yana zubi in kin yi wata hudu kina zubi in kin samu aure mun tabbata gaskiya ne kin samu aure mun je karban wannan dotikin zakwa za mu yi mu yi a rejistiran sunan ki hakuri zaki in akwai mutum biyar gaba gare ki in an ba su an kai gare ki ana ba zubi ne ake kamar yanzu Allah ya kai mu gobe landi ne kowane mambar da ake kin wannan group ma suna kawo jika biyu biyu kuma kowane gurfi yana kawo zane turmi guda to jika biyu nan su nake tattara in ta sai kayan cimakan nan to jedi mai towa shine zan yi biki kowane mambar yana kawo jika biyar biyar to waɗannan kuɗaɗen nake tattara su suke zama jika ɗari taran nan da muke kara mutuna bisa wannan kuɗi wallahi in dai mutum ta riga ta yi aure mun yahe mata ne in dai aure ne saboda in kai riga kin yi aure ba kowanne namiji ke yadda ake matanta na hita kunu kuma ita macen in ta riga ta yi aure kaman baki a aiki hakan ga ina za ki samu kuɗi kenan muna baki kuɗin muke ke miki mun yahe miki ne ki ce ki zauna kuma halal ne ba wanda ya isa ya zo ya ke miki ki biya amma in dai macen aure ne in ta haihu mun bata wannan kuɗi muna ba ta dama sai in ta yi karantin kinnan kwana 40 in ta yi kwana 40 tana kartowa ta ware versama me akwai possibility wanda in kinki kina iya ki ta kikin group ma kin menene possibility kinnan in ba ki ra'ayin group ma me dole ki zauna ki wata tara kina mun zubi kin ga duk wata kin wata tara nan ba ki iya zubin san mil a lord kai mun ba ki abin da ya kai plea da 1 miliyon saboda ga kuɗi ga kayan suna hukewa 1 miliyon kuma duk wata tara nan duka duka ba ki kai wa mil da zaki ba kenan kin gani mutum ya kiri ba kenan. group ma tsarin da 'yan anguwa ke yabawa sosai sosai sun kuma yaba da hali kokari da kuzarin Maimuna Umaru. Wallahi kokarin da take yi ba kadan bane take nan tana yi tunda tana nan tana taimako ma mata da maza duka. Vrema kahin a samu cikin gurfuma a samu wata mace bayan Maimuna ce tana son mutum. Kuma gurfumacinta na adilai ne ba ki shiga cikin gurfumacinta ba sai an gwada miki wani moda ba ita na da adilai na fi sibidillahi take nan tana yi. Maimuna Umaru ta ce, matar da ba ta cikin gurfeman ba ta gane zamantakewar rayuwarta ba ga zumunta ga ci gaba a ciki. Chers auditeurs, un dernier tour en musique avec Hoularine Akalin de Bombino. chers auditeurs, après cette balade musicale, l'avant-dernière, Mariam, au lieu de la dernière, <laughs> nous allons passer au loti du jour. Et ce matin, nous allons parler de la consommation de kaolin ou argile par les femmes notamment. Même s'il n'y a pas que les femmes qui en mangent, certains hommes le font aussi. En effet, Fanta au Niger et dans plusieurs pays d'Afrique, ce sont surtout les femmes enceintes qui sont les premières consommatrices. C'est ce que les spécialistes appellent la géophagie et cette pratique n'est pas sans conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant à naître, n'est-ce pas Arimi et Samira Rouafi taynukanaysa hawa hey hawa nigo banimo ah fifi ninno irkoysi alhana ma ai wayla kalogo nongo fo hagay amma bani samai nin fani go bani hmm, mantaino ai him kerano ni wa haddai ni du ni botaga wo ni go ganwa ni si dini sima hayo go gai lakal tunandi wallahi ni se to ai kyoga nin bog be botaga wo wago ai go ga wano asiyai bayiga zamni go di alhali kan ranai go alhali fo ni sigidi hankan ga yijina no daite zari follon ay man gawon wa kalbintai da harcin di kansi bori ko ni di safari mono kansi cada dai duwe dal guwal waran ka gai murado fere ga harin wa kalamu mo sai sai oho irga bai kan aga bintai da korna fi safar amma iman ne mu ibobun wa me wala hai fo rafi kai fi gan wa ibobo kai ni fo ne wa za go men da mi asibi so ta ki wani kai gan wa kawai mdugu ma dai ga han moraka ne wakan ni wani goga dino yami aga koi ga tenise illa ni wani ga han ba no bon ni bai kan haibobin waye mo bori. it koi begi wallahi ni ba sani be ran diyan ga fika han kan patal mizi kai ni kai ni foyin da yi gonwa hey ni han kai feri boto gon waye mo aga tenise no ni gundara am koi gwar ni se ni wani buzgora koi ne ni bai kan aka tenise masal bobiya it koi begi ya dinga hada lahani foyin no gase hmm. ni wodi go salan ni si hangan gabai ha mabai kan bere nay ina batugun wayan ganji so ko famo wai bar gunda koyai se ifo se ni mo wallahi aga kanu hawo mo ga kanu ni ta dai ma kai ni foma he dogonan dai se <laughs> botogo aga hinga kuri jangai dan borai kan ga ngwasi koi ne mo haikan galala bor kul se tugureira wai bor gunda koi wo zahano borno kan sin da kuri gumo soko famu kan ayega kaga botogo ngwa koi ne ngune milla kalkanandi haikul no sidwai halaga toy se kuri jangai ga hadini kulai gana <laughs> ome haru ni wo nigo haya sambun da fore nisibai kan botogo ni ga ngwano koi ne anwayen lami ga jindi. agbar ga tenise maze kwaya guni irko se na ga fika wallahi ni sintin ga hamburandi a to hari no kan ga hamburandi bindi bo ai man baki ni se lahane kan gwabande kan manti kurgengai ni di ni targa hai ko kya manto hayya wala ko kya starga beri hai tora ila labun ga tikan ni izo ga hin gabu wala mo ni bumbo ni mubu gunda wate wala mo hayyan wat subhanallah ai wa shibabi hankan ga yi fango ai sibai mai izo hai lokacin manto wala mo a gyanga a to wajin wo fa yadin ni bon hagwai kwai loktor kwara gimbon guna nim duga bai alhalo kan ranin din izogo ato atil sai ga walla hey za son bumboda ai nan boto ga won wayon su za su bai kwai je won loktor ato aga wajib ni gafa da manti yadin ni kwai ga zanka hai ga hamo kul botogo <laughs> fifi wallahi ai sabu ai sabu da alba hare wo kan ka ina son wo kai hay kul ne gite indiya wo ko kuma su di chok chok fai mafo halem ko ga da gadin wo mudin wa aran gama rano atil sai gano mi a to Lati, lati, lati, lati, lati, lati, lati, lati, lati, lati, auditeurs, retour dans ce studio et nous sommes en compagnie, en compagnie de Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Alamine, bonjour. Bonjour. Alors le mot du jour, c'est conflit. Eh oui, c'est le conflit. Le conflit se définit comme une violente opposition des sentiments, d'opinion ou d'intérêt. Les conflits armés, c'est le combat entre deux ou plusieurs puissances qui se disputent un droit. Quelques exemples de conflits des conflits, disons. Au Niger, en cette période de saison de pluie, nous avons des conflits entre agriculteurs et éleveurs autour d'un point d'eau et les ressources naturelles. Les conflits communautaires et les conflits entre États, c'est-à-dire deux pays. يبان نمسس سيقرا سقصدا واتي مال دغ السباب نيبان نمر دا فلارت ولا نمناك فلاس فلقنا ويقنا نمناك فلارتيا أرتا دي تاوان مزرين تناط مكوين داس إلي كنا سويتا جين سلسلة إتا جين جرا ساعتين سناتن مدينة نوات دولتين سواتنا سناتت جامينين أرتيين ده أرتا نلميسا لنا شيلتنا المسالة تنشين دا فلقنا وقلنا دولتن نجار دا تمر تنا يلدا تموس تمير دا غوري تبا إكن ناسا غير ماجيا كان أد مدانا نغ السبابنا ما مدى غير أما الصدون سنتاس فلقنا وقلنا المسالة تنشين كان ناسنا مالنا تو قرتماتي وين مالنا تو قرت دولتين صناطت نادي المعنى كونفلي يموس المسالت اللي تاوي بان مسس قرا قريتي دان مدري قرا الأمة مدري قرا الدولتين انت دادا أوستاونو كونفليدات ماشق Merci à la mine pour l'explication du mot conflit en tamashek. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message écrit ou un message vocal au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Et justement, Fanta, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. sunana muhammadu ibrahim gaskiya studio kalangu tana kayatar da mu matuka muna ji shirye-shirye da dama wanda ya shafi al'amuran kasashenmu da nahiyoyinmu gaba ɗaya da yankunanmu abubuwa na wayar da kai bangaren kiwon lahiya da harkan tsaro da sauran labarai wanda ya shafi kasashenmu da yankunanmu gaskiya abin yana kayatar da mu mutuka domin muna jin gaskiyar bayani a studio kalangu abin da zan cewa yan uwana matasa shine zaman lahiya abu ne wanda take da muhimmanci a rayuwarmu komi in kaga kasa ta ci gaba sai da zaman lafiya zaman lafiyar nan shine mu matasa za mu tashi mu neme ta ba tare da wani tashin hankali ba ba tare da komi ba mu ne za mu kawo kanmu zaman lahiya domin duk yanda kaga zaman lahiya ta daure yan uwa matasa su ne suke ke kawo ta gaskiya zan cewa mu na musulunci su tashi su kama mana da addu'a mu 'yan gari da malaman su su tashi su kama mana da addu'a domin Allah ya gwada mana abu mafi alheri dan ya zamanto shine mafi alheri a gare mu a halin da muke ciki a yanzu to fata na da kristoci da musulmai dai mu yan uwan juna ne mu haɗa mu guri guda ɗaya mu ceci ƙasar mu domin mu taimaka wa ƙasashen mu da addu'o'in mu wallahi ma daga ci hawa gobe zira jo suru wallahi wai diyan wa daga tilabi zai mu ceddi borai mu ceddi irigata ñafo baf carngwari wasu hagu ni zalla bora bora imate ir wala kala kana dai ni ba mate ir ni zalla bora ir mu gor bani ir mu bani ir mu nangu fo bor mu zamu sambo kairiga ir mu yadda sai amante ir mu tanya fo bafo ir mu keddi ir mu fun bor fo nangu fo bor harkara ir mu ni zalla bo di amburi zam labu kullo sir se gibis ni zalla bo ir labo da giciri ni zalla bo karargo nga giciri bafuna yadin gamo ir mu kokar gicedi ir labo bore abi sir mu mu te bor fo labo harka bon fun bor fo labo har karag din labo zaman labo no gin nafa din koy benin labo no din ya ganda mo ni labo no ya da gam ko kirgin labo han samburi buri wallahi ai wo kai di daina shirye shiryen kalangu gaskiya shirruka ne masu amfani sosai suna kayatar da mu matuka sosai suna kwadaitar da masu sauraro saboda akwai nagartattun labaru wanda ba ko ina ma ne zaka ji gaskiyar labari ban ba irin wannan shirye-shiryen da kalangu take yi eh, shi dai zancen juyin mulki a riga an yi kiran da zan yi wa 'yan uwana 'yan ƙasa shine mu yi haƙuri mu zauna lafiya da goyon bayan mu ne ƙasar mu za ta zauna lafiya saboda shi duk wani abin da yake na ta da hankali ne to a guje shi musamman matasa ya kamata mu guji abin da zai kawo mana tashin hankali a ƙasa kuma mu ci gaba da addu'o'i a wuraren tarukan mu da masallatan mu da dai wurare daban-daban wanda suke na nagarta ne don mu samu zaman lafiya Voilà, chers auditeurs, avant de se dire au revoir, nous allons faire un dernier tour en musique avec cette vieille chanson qui date de l'époque de la Samaria. sur ce, on va se dire au revoir. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même, et Maria Madei. <laughs> <laughs> très bon week-end à vous. Bye bye.